donc je représente présente monsieur le proviseur de cet après-midi qui est empêché et il a dit tout simplement d'écouter l'exposé pour pouvoir tirer profit de cela EBF éducation à la vie familiale vous, vous apprenez cela à l'école élémentaire parce que tout simplement ce sont des points d'insertion qui sont recherchés je retiens tout simplement une chose dans son discours. Il a parlé de violence basée sur le genre. Vous êtes des élèves, Vous faites des recherches. Le genre qu'il parle, ce n'est pas le genre masculin, féminin que vous analysez en classe, en grammaire. Le genre, ce n'est pas ça. C'est plus compliqué que ça, sinon c'est plus intéressant que cela. Le genre, c'est quoi C'est une approche de développement qui souhaiterait que vous, surtout la jeune féminine, on vous donne les mêmes sens que les garçons pour pouvoir réussir. Et le VF, c'est quoi Même si ce n'est pas une discipline particulière, c'est une discipline transversale. Même les professeurs de mathématiques peuvent se permettre de vous apprendre le VF. Parce qu'il va dans la sécurité de la société et de votre sécurité au départ. Pour paraphraser l'autre, l'autre jour, il disait que la quantité de bonheur d'une société est proportionnelle à la quantité de bonheur de la chambre féminine. Donc, je vous remercie. Donc, soyez très attentifs. Merci. Donc, pour leur permettre de mieux comprendre le sujet, le, comment de thème, nous allons alterner le et le français en même temps. Donc, c'est pour vous dire que vous n'y voyez pas genre, parce qu'ici, on dit violence basée sur le genre. Lui lan moy genre genre moy li nga la société bi togalé doomu Moi, moy manam dafa am ci la société bi ay liggéey yo xamné dañ dan wax c'est liggéey yi moko mom y a eu des moments il y a de ces fonctions la femme n'avait pas droit à ça il y a d'autres fonctions, l'homme n'a pas droit à ces fonctions-là. Quand on les faisait, euh, on nous taxait de certains noms en général. Mais avec les mutations de la société, euh, on est allé jusqu'à voir que euh, ces histoires de celui-là, il ne peut pas faire ceci parce qu'il est, il est une dame, l'autre ne peut pas faire ceci parce qu'il est un homme, c'est des choses qui sont révolues. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on va partout dans le monde, on trouve des femmes soldats partout dans le monde, des femmes militaires, des femmes gendarmes, des femmes policiers. Alors qu'auparavant, c'était des tâches qui sont uniquement réservées aux hommes. Parce qu'on disait que la femme n'a pas droit à cette fonction-là. Et ensuite, euh, on disait aussi que l'homme ne doit pas faire la cuisine parce que c'est des rôles, un rôle qui est euh, uniquement réservé aux dames. Mais aujourd'hui, on voit que partout dans le monde, si tu précisément au Sénégal, les plus grands cuisiniers au Sénégal, c'est des hommes. Ça a évolué, évolué, évolué, évolué, jusqu'à arriver à ce stade où nous sommes aujourd'hui, pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir exercer les fonctions qu'ils savent faire. Et il y a une différence entre ce genre et en général le genre et le sexe. Quand on parle de sexe, et en général pour le sexe, on dira que c'est des caractéristiques biologiques. Monsieur Gata ne me laissera pas raconter n'importe quoi. C'est biologiquement, quand on parle de sexe en général, il faut que sexe, sur le dina dem ci effectivement biologiquement mbind mi ni ñu bindoo ni bindee noonu donc c'est pour vous dire genre bi mooy li nga xam ne mooy couche bi nga xam ne moo gën a général mooy jigéen li ci ëpp ci moom lañ koy faral di jël bu dem ci wàllu violence bi parce que xam ngeen na les droits de doomu aadama dafa nekk loo xam ne euh, sunu borom moo ko njëkk a jël teg ko xam ne fu kawe Et ensuite, la loi protège les êtres humains dans tout ce qu'ils font. C'est pourquoi, euh, en général, les violences que nous faisons en général sont sanctionnées et corrigées le plus souvent du temps. Les violences basées sur le genre, on peut l'appeler, on peut dire aussi violence sexiste c'est-à-dire c'est une violence qui est basée sur une personne de sexe inférieur, en général. Ou bien sur un individu, ou bien sur un groupe d'individus sur lesquels on, euh, on applique des actes néfastes pour juste dans le but de faire mal à cette personne-là aujourd'hui, on voit que cette violence a pris une proportion extraordinaire. Euh, vous nous comprenez, les types de violence l'humain, façon violence de mais la plupart du temps nous les violences sur lesquelles nous nous basons ce sont les violences physiques violence physique moi m'en maintenant, pour frapper donner du coup. c'est ça une violence physique c'est sur ça que nous nous basons surtout en général. Mais il y a des violences qui sont plus fréquentes et plus importantes, plus dures que ces violences physiques que nous faisons. Parce qu'il y a ces violences qui vont jusqu'à amener l'individu à, ne plus être la personne normale qu'elle est. Ce sont c'est la violence euh, euh, psychologique. Nous avions la violence verbale. Il y a aussi la violence sexuelle il y a aussi euh, les violences euh, euh, socio-économiques. ce sont des types de violences sur à fera dans nos sociétés. Bon, nous ici aujourd'hui, quand on va surtout mettre l'accent, on va mettre l'accent sur la violence psychologique. Pourquoi la violence psychologique Parce que pratiquement, la violence psychologique, c'est une violence euh, qui est exercée sur un être humain sans pour autant donner de coup. Cette violence-là, elle peut être de par les gestes, qu'on fait à l'individu ou bien de par les paroles qu'on adresse à l'individu ou bien de par euh, euh, pratiquement les faits qu'on fait à l'individu. C'est pourquoi on, il est important que nous mettons un peu l'accent sur cette violence-là, car nous sommes dans un milieu où on a le devoir, nous enseignants, de prêter attention sur ça. Par moment, c'est des choses par moment qui sont fréquentes dans nos établissements. Et l'autre cas, c'est un élève qui est en classe. C'est une fille. La fille, elle a eu des problèmes avec son professeur. Pourquoi Parce que le professeur a invité la fille à aller faire euh, le balayage de sa chambre, le nettoyage et tout ça. La fille est partie, croyant qu'elle va le faire, c'est parce que c'est normal quand ils sont professeurs. Une fois sur les lieux, le professeur essaya d'accuser de la fille en essayant de la menacer et tout ça. La fille n'a pas voulu céder aux menaces du professeur. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que peut faire le professeur Il attend la fille en classe pour la dire Ok, je t'attends en classe, je te fais ma proposition, tu refuses. Mais ce qui est sûr et certain, le jour où tu vas avoir la malchance de raconter cette histoire à quelqu'un, sache que c'est ce jour-là que ton école va fermer. Et il termine en la disant, voilà, donc moi, de toute façon, j'ai mon picot Soit tu viens, tu vas faire ce que je veux, ou bien j'utilise mon picot La fille, maintenant, elle était vraiment dans une situation extraordinaire. Elle ne savait plus que faire. Elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré. Donc, elle a créé une alibi pour que le professeur puisse la laisser partir. Bon, elle avait fait savoir au professeur que ce jour-là, elle n'était pas propre. Elle est partie. Depuis lors, quand le professeur la demande d'aller faire le travail à la maison, il refusait. Maintenant, le professeur commençait à la donner de mauvaises notes. Donc, à chaque fois, après son devoir, elle se mettait là à pleurer. Vous savez, il y a des élèves qui sont très regardants. Il y a une de ses copines qui était là à côté d'elle, qui souvent savait que celle-là, c'est une fille qui était très brillante dans cette matière-là. Euh, elle s'est approchée d'elle et elle l'a demandé. La fille n'a pas voulu parler parce que elle a été menacée par le professeur. Elle n'a pas voulu parler. Mais à la longue, quand la fille lui a dit non, moi j'ai fait un constat, j'ai vu que quand monsieur tel entre en classe en général, tu te retiens complètement. Et alors que dans des autres matières, tu parviens à te libérer sans aucun problème. Bon, ici, elle a commencé à se confier à sa copine, tout à la disant de tout faire pour ne pas raconter l'histoire Donc, vous voyez, donc c'est des choses qui, qui arrivent par moment dans les établissements avec les, avec les enfants. Et alors que ces enfants-là, nous, enseignants, nous pensons par moment qu'ils euh, ne savent pas. Oui, mais ils sont très bien préparés. Parce qu'ils suivent les télés, ils suivent l'Internet et ils participent souvent à certains euh, rencontres ou bien certaines conférences et tout ça. Donc c'est pour vous dire que la violence est, est quelque chose de réel qui est là dans notre société, partout dans la société, que ce soit à l'école, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans les hôpitaux, partout où nous sommes aujourd'hui, c'est cette violence qui se Et elle ne se limite pas seulement aux élèves. Il arrive aussi par moments, dans les établissements, on a souvent l'habitude de le voir, des professeurs, dames, qui sont souvent, de par euh, leur genre, parce que c'est des dames, elles sont faibles, souvent les élèves, les garçons en général, les créent des problèmes, les empêchent de dérouler correctement le cours. Pourquoi Parce qu'ils se disent que c'est là vous nous vous vous classe automatiquement vous classe, ay groupe un groupe qui vous sax dañuy faral projectile uniquement pour madame pourquoi parce que jigéen et alors que vous faites comme un professeur la voulez góor bu monsieur Pane monsieur Mansali même si on ne peut pas vous ne ko donc vous voyez violence vous nous après, koy d'ailleurs, on koy àpp rek parce que nous, qui cadre nous ne quoi on est à l'école donc on va camper notre sujet au niveau de l'école donc c'est pour vous dire que la violence elle est ancrée elle est ancrée dans nos établissements si nous pensons que ce ne sont que les élèves qui sont violentés, il y a problème. Elle est générale, cette violence-là. Nos dames sont là et elles, peuvent témoigner de ces faits. En général, ils le font à, aux dames et comme nous le faisons aussi aux élèves. Mais ce que nous faisons, croyant que c'est un droit que nous avions, malheureusement, ça peut se tourner un jour contre nous. Voilà, donc c'est pour vous dire euh, et aussi, il y a aussi les violences entre les pères. Entre les pères et les En général, les garçons, ils ont souvent l'habitude de violenter les filles. Pourquoi Parce qu'ils savent que qui la famille doole a possibilité y ko pour pour moi, donc c'est c'est des choses qui euh, il faut que nous xeex il faut nous sensibiliser ñu Sénégal yoon a am té yoon dafa nañ ci des ne dafa aju violence. aujourd'hui man ma violenter euh, monsieur euh, par exemple pourquoi parce que dama ko ëpp ne la ma ci kanamu ay wax ko ay baat pour le jour où Frao va aller devant la justice puisque Frao est mes gendarmeries, pour porter ma plainte di leen ma et pourtant je ne je l'ai pas frappé je ne l'ai pas donné du coup donc je l'ai juste violenté en utilisant des mots qui vraiment dafay métis. Pourquoi il dit dafay donc ci Donc, yooyu mon Frao mon amadem, je dem ma c'est sous moi au bossion. L'homme est au néo 5 mois de côté de prison. Vous pouvez vous dire que vous de 5 ans et vous avez amende de Donc c'est pour vous dire, faisons beaucoup attention euh, euh aux violences. La violence, nous n'avons pas de violence pour régler Non, non, non. Vous pouvez dire que nous pouvons dire que violence les coups, les blessures. Les coups, c'est le plus minime des violences que nous, exerçons, euh, nous subissons aujourd'hui dans nos sociétés. donc les violences il y a dans nos foyers dans nos foyers tout à l'heure on a vu le sketch de du club EDF le mari il a violenté la dame C'est dur, mais wax yi mu ko wax ba un mu ko donc violenté na

bu fekkente ne am na loo xam ne mën nañ ko tëjoon par rapport à ce que di monsieur Adama Ndiaye ñu si mën a yaawu bu jëmbalu nag naa ci kàddu ce n'est pas du tout facile parce que moment bi ñu ko wax ak yéen ce n'est pas tout à fait merci beaucoup